तो toujours euh, dans votre acte du jour euh, tay altiné ñaar fukki fan ci weeru novembre atum ñaari junni ak ñaar fuk ak ñett nee toujours C'est la chaîne des grands événements s'informer juste vrai fi nak ñi ngi jëm le 31 décembre suñu né 31 décembre xel yëpp day dem ci fin d'année. cette fois ci on va à Paris su né Paris Madame Champs-Élysées Paris lañu jëm and ci kan suñu né 3D production 3D production muy kan Anta borom restaurant Wiri Wiri Anta bi ñu xam ci production Anta bi ñu xam ci promoteur culturel Anta bi fi liggéey ak artistes yëpp commence par tous les artistes wallisek Viviane Moti Anda King, Khamatini, ki CSF di Kiss Majorité, madame en collaboration en partenariat pour amal une soirée de gala multidimensionnelle pour la première fois Mouy avenue cinquième arrondissement Fofotier Paris pour artistes sénégalais monsieur joué cette fois-ci il faut terminer l'année en beauté Fofotier Paris madame Kepko Khamatini xamante ni Paris Fofotier France Mantala jolie Rouen Havre Bordeaux, Lyon, Marseille. Rendez-vous est donné le 31 décembre. Faux Paris, Andetiek. 3D Prod bu Anta ak CSF voilà accueillir King nga le leader de la génération consciente Pape Diouf le number one Pape Diouf va assurer une soirée spectaculaire pour terminer l'année en beauté Faut ci Paris and 3D euh, Production à King nga xamanteni moy CSF ma fogni Pape Diouf que la ñu ne ma kan la ci andal moy l'étoile montante de la musique sénégalaise celle qui cartonne celle qui fait vivre le cœur des Sénégalais et des mélomanes Mia Guissé en première partie Pape Diouf pour une soirée exceptionnelle et multidimensionnelle le 31 décembre faut ca Paris la France en métier 3D Pro, kon képp koo génération consciente nga takk leen costume yi Kouafedi, Demlen robe yi château d'eau dem château rouge dem Strasbourg Saint-Denis Cyril Dali, costume cravate ne na le 31 décembre 2023 ce sera une date exceptionnelle dans l'histoire de la musique sénégalaise dans l'histoire de l'événementiel En ceeg kan 3D Prod à qui nga xamante SSF. nous avons ñaar ñooñu ku leen wax ci biir Paris ñoom ñooy def événement boo xamante képp ku fa lañ lay assurel qualité assurel la présence indil la dimension di lay garantir sécurité muy le am solo le 31 décembre fauf que Paris jàpp leen bu baax a baax képp koo faire ni go ce ticket dawal gaaw nga jënd ji ko ticket force 65 euros madame madame première partie madame balcon 80 euros madame sous carré VIP pile madame 100 euros en tout cas 65 euros 80 euros 100 euros vous ngi amee vous ci la maison de la mutualité n'est pas une maison de la mutualité C'est xel 5 day arrondissement parisien Nous yoon soirée soirée pour la première fois Pape Diouf va presser... avec Mia à la maison de la mutualité ce 31 décembre pensez tout de suite à réserver vos tickets infoline 09 53 332 333 ou le 06 25 42 18 43 Vous l'avez première partie ce sera assurée par le meilleur Didier euh, de la France le meilleur DJ de Paris Didier Bouya Didier Pimps vont assurer l'ambiance avant le spectacle Pape et la génération consciente Mia Guissé ànd King nga 3D Prod CSF faut ca Paris la France gagne, dans les ligues de jënd seen ticket ku ma fa dëgg ma massa boucher Ketchup déjà mi bir Paris pour def lépp loo xamante une réservation T'as quoi Afro préparel yow Il borom cheveux yi yaay borom greffage y a borom coiffure yu nay dama ni may restaurant Étoile d'Afrique képp koo xamante ni yaa ngi biir Paris jaaxal faux. en tout cas rendez-vous est pris le 31 décembre vous ci dara nag Anta bon restaurant Wiri Wiri restaurant africain gastronomique bu amul le 31 décembre Paris va marquer encore une autre histoire dans la musique sénégalaise avec Pap Diouf et Mia Guissé. <laughs>